S'il vous plaît. Très chers compatriotes, le Sénégal, notre si précieux patrimoine commun, vient une fois de plus de démontrer au monde la maturité et la vitalité de son modèle démocratique. En effet, organisé dans des conditions inédites, et au travers mille et une difficultés, la présidentielle de ce 24 mars restera dans notre histoire politique comme l'une des mieux organisées, des plus transparentes, des plus paisibles et des plus sincères. Par ce comportement, le peuple sénégalais a conforté la bonne santé de notre démocratie des centres urbains au plus profond de nos campagnes et dans la diaspora, les populations se sont fortement mobilisées pour rappeler le haut niveau de citoyenneté des électeurs. Par l'expression de leur souveraineté dans la paix et la sérénité, nos compatriotes ont conforté le statut de démocratie majeure de notre pays je réitère mes félicitations au président Diomaye Faye. Je lui souhaite réussite et succès à la tête de notre pays. Puisse Dieu l'accompagner dans la réalisation de sa mission pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations. C'est pour moi le moment solennel de remercier tous nos compatriotes d'ici et de la diaspora qui ont honoré notre pays et sa démocratie. J'associe dans ces remerciements toute la classe politique, notamment mes adversaires d'un soir et mes compatriotes de tous bords. J'ai saisi l'occasion pour féliciter l'administration pour la parfaite organisation de ce scrutin. Dans le même esprit, je salue la vitalité de nos institutions qui ont donné la preuve de, leur crédibilité et de leur efficacité. Je remercie et félicite ma coalition, Bernard Bokeyakar, la mouvance présidentielle, l'Alliance pour la République, mon parti, pour la grande mobilisation et le travail remarquable de ces dernières semaines. Je réaffirme ma gratitude au président Macky Sall pour sa confiance et son soutien constant, surtout durant ces moments exaltants de la vie de la nation. J'associe à cette reconnaissance tous les leaders de notre grande coalition pour leur engagement sur le terrain. Après cette étape importante, je reste plus que jamais déterminé. Au service de mon pays et de mon peuple. Pour terminer, je remercie la presse nationale et internationale pour la couverture exemplaire de la campagne électorale ainsi que sa disponibilité pour l'information de nos citoyens. Je vous remercie. Sénégal mbokki senegaal mbokki senegaal yi nekk fii ak bitim réew senegaal sunu réew woneeti ci kanamu àdduna yëpp ni réew mu mag la def nañu élection ci jàmm ak salaam ñu def élection yi ci anam yu metti ndax diir bi dafa gàttoon waaye def nañ ko ci jàmm def nañ ko ci salaam bu sénégalais yi génn nañu tànn nañu wax nañu mi mooy Bassirou fay moom moo jiitu au premier tour Je koy félicité di ko ñaanal te yéene yi mu am ci réew mi yàlla mottali ko ndax réew mi rek moo ko tax moo moo ko tax a jóg moo ñu taxoon a jóg may sant di gërëm ñii nga xam ni ñun ñoo séq làngu politique bi moo xam ñi ma àndal la wala ñi nga xam ne dañ doon jongante nga xam ni mën nañu wax ni jongante bi ci benn benn bës la woon bu jeexee ñun ñëpp ñoo bokk senegaal ñun ñëpp ñoo war a jàppante ànd ndax senegaal

ñii nga xam ñoo bokk langue politique bi maag ñoo ma ànd muy coalition Benno Bokk Yaakaar muy alliance pour la république may sant kilifa yëpp di ci beral cant président Macky Sall mi nga xamni mom mo jité coalition bi té tan bi joggé ci mom ba ñu mëna a nekk fii tey taxaw di waxtaan ak yeen may sant yeen yéen jum taskati xabaar yi ndax li ci war def ngeen ko ñu jéggalu it ndax lu ñàkk yenn saay ci suñu diggaale ngeen mën cee gis wala mën cee dégg loo xam ni mën na dëpp bañ a dëppoog suñu jikko bu ci amee ñu leen di baalu àq di leen baal àq ñuy ñaan yàlla lii nga xam ne def nañ ko muy lu jik Sénégal yàlla nañu yàlla defal jàmm ma leen di ñaanal yéen seen liggéey yàlla def ci barke je remercie